lundi 6 novembre 2023. Merci d'être à l'écoute des programmes du studio Kalangu à travers nos radios partenaires. Il vient d'être 11h et c'est l'heure de notre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Ali Moukele Hussein alias Seno et avec moi Rabi Mekano. Bonjour Rabi. Bonjour, ça va ce matin Ça va super bien. Alors, nous débutons la semaine avec une bonne dose de musique 100% nigérienne accompagnée bien d'informations avec le flash euh, suivi de l'entretien du jour. Notre invité avec nous dans ce studio est Hamdi Malan, un jeune artiste et chanteur qui fait parler de lui au Niger et à l'international. Dans ce numéro, nous aurons également l'écho des régions, mais aujourd'hui nous restons dans la capitale Niamey pour parler de la transformation du cuir dans l'artisanat. Nous sommes lundi et le lundi, c'est le rendez-vous de la rubrique hebdo consacrée à la justice. Nous n'oublions pas la chronique Loti qui sensibilise tout animaux. L'édition est assurée par Adam Adawaki et Rahilatou Souman à la technique par Mustapha Ayouba. C'est parti. Voici le flash d'information présenté par Rafika Attaher. Bonjour Rafika, tu as quoi pour nous ce matin Alors Ravi, pour ce matin, plusieurs décisions ont été prises lors du dernier Conseil des ministres qui s'est tenu vendredi, dans le projet de décret portant proclamation de l'état d'urgence dans la région de Difa, dans certains départements des régions de Tawa et de Tilaberi. Le gouvernement justifie cette décision par le fait que la situation sécuritaire reste toujours préoccupante dans ces zones. Ainsi, il a décidé de recourir à nouveau aux mesures prévues en période de crise par la loi du 11 août 1998 portant réglementation de l'état d'urgence en proclamant l'état d'urgence dans les localités concernées. Ces mesures exceptionnelles visent à permettre aux forces de défense et de sécurité déployées dans ces zones de disposer de moyens juridiques nécessaires pour rétablir ou maintenir l'ordre et la sécurité publique tout en assurant un équilibre entre la préservation des libertés publiques et individuelles et la sauvegarde de la sécurité publique. Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour la prévention et de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflit. Le secrétaire général des Nations Unies a déclaré que depuis que la guerre existe, l'environnement et les ressources naturelles en sont les victimes silencieuses. Les récoltes sont incendiées, les pluies polluées, les sols empoisonnés et les animaux tués. Les objectifs ne sont pas toujours les mêmes. Selon Antonio Guterres, nous assistons à des actes de destruction pure et simple et nous sommes témoins de bouleversements sociaux comme la création de pollution des réfugiés, de populations de réfugiés qui à leur tour mettent plus rudement les ressources à contribution et que la plupart des conflits se déroulent dans les pays pauvres où les populations vulnérables sont les moins outillées pour faire face aux dégâts subis par leur environnement. Enfin, le Niger, pays par excellence d'agriculture, a répondu pour la première fois à la sixième exposition internationale d'importation de Chine et du Forum économique international de Hong Kiao. Le Niger participe à ce grand rendez-vous économique mondial à travers une entreprise nigérienne qui fournit des produits alimentaires. Ce forum vise à offrir davantage d'opportunités aux entreprises de communiquer en face à face et à intensifier les efforts pour organiser des détours de présentation dans le pays et à l'étranger avec une garantie de service améliorée et un confort accru pour les exposants. C'est tout pour ce flash. Merci bien Rafika, à bientôt. Merci Rafika. Notre invité du jour est avec nous dans ce studio. Il s'agit de Hamdi Malan, artiste, chanteur, compositeur. Bonjour Hamdi. Bonjour Hamdi. Bonjour, bonjour. Merci de nous honorer de votre présence dans cette émission. Avec vous, nous allons parler du quatrième art, la musique bien évidemment. Mais avant d'entamer nos échanges, écoutons d'abord ensemble l'un de vos titres. Il s'agit de Is My Life. See your vibes. CCC Cal Music. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. lufashi, itetelumfashi na hana mihinyi kunchi intashi kebanikuzari kubiyoni kushalabari eh. Yinda yana sawa inji daɗi Yana sawa ni nishaɗi Dola ne yin faɗi Music banda ka manki Kuma bani fata na barki Tunda kin zama mun mai daki Karbi zuciya ta na baki eh, Bani fata na barki Tunda kin zama mun mai daki Karbi zuciya ta na baki nasiha tana taimakawa wajen waye kan al'umma tana kira mu dana na faɗa mu zama guda ha abada tana jan hankalin mu wajen neman na kanmu yes ta eh wallahi waka ta wajen shawo kai tana hana sai da bayi kyaukyawa sunanta kada ka guje ta nemi ka santa kafin ka tsangon ta. fly zaka yi idan ka zanduma a cikin ta kar ka ji wai da gaske ne da ina santa tsakanin mu akwai kyaukyawan fahimta ban ji ban gani idan aka zage ta dan dalilinta ta daga ya rayuwa ta kwarai daga gaske ilmanta kaskanci aminci tabbata gun mai music is my life music is my life music is my life Music is my life. Waka tana zama siha. Tara koya tarbiya tara imurna waka tana zama nasiha tana tarbiya tana imurna That's your vibes Hamdi Mais voilà, c'était un musique Is My Life de notre invité, qui n'est autre que Hamdi Malan, qui est avec nous dans ce studio. Alors Hamdi, avant de commencer notre entretien, j'aimerais bien comprendre ce titre musique is my life. Et pourquoi tes titres sont en anglais C'est pas le premier. <laughs> bah, c'est clair, il y a quand même pas mal de titres qui sont en anglais, mais bien évidemment, il y a aussi des titres qui sont en Hausa, il y a des titres également qui sont en français. Bah là, c'est juste une coïncidence. Mhm. Voilà, donc euh, euh, Is My Life, par exemple, dans, dans, la chanson, tout le texte est fait en Hausa. Quoi. Ah, ouais. Voilà. un joli texte, hein, au passage. Merci, ça fait plaisir. Explique-nous le message derrière. Euh, alors, alors c'est, si tu veux, c'est une petite histoire entre la musique et moi. Et j'essaye d'exprimer mes sentiments, et ma gratitude envers euh, cette musique, envers tout ce qu'elle m'a fait vivre, envers euh, tout ce qu'elle est en train de me faire vivre et également les expériences, l'amour, les obstacles, évidemment. C'est fort ce Donc c'est pourquoi je dis c'est quand même une histoire. J'ai un lien fort avec la musique. Euh, j'ai eu des obstacles, mais grâce à la musique aujourd'hui, je pense que Super. Alors, Hamdi, dites-nous comment euh, définissez-vous votre style musical Alors, mon style musical euh, n'est rien que l'afro-hop. L'afro-hop qui est un mix entre l'afrobeat et le hip-hop. Voilà, une, façon de, maintenir euh, la, la, old school et bien évidemment de marcher avec la New School. <laughs> Voilà, donc euh, c'est un peu ça l'idée, essayer de, de, de, de combiner, hein. déjà les styles afin de pouvoir donner quelque chose de, riche et d'original. Super. Alors, quand avez-vous décidé d'embrasser cette carrière et pourquoi Est-ce qu'il y a une raison particulière Bah, sincèrement, je pense que depuis tout petit, je, me, je sentais en fait la possibilité ou disons les capacités de pouvoir chanter. Mm. Parce que moi, je pense que quand les toutes premières fois où j'avais senti l'envie de, de, faire, c'était en fait quand j'écoute une chanson, tout de suite je sens à des, à des parties où là je peux corriger ou bien je me dis ici ça devrait être ça. Ah. Et j'étais très jeune en fait. J'étais très jeune, j'avais pas forcément euh, l'envie même de chanter. Mais vous avez l'oreille J'avais déjà l'oreille, je sentais que ici ça pouvait être ça. Hmm. Ou bien ici s'il faisait ça, ça allait donner quelque chose. Donc euh, c'était ça les débuts, mais euh, officiellement je pense qu'en 2006-2007 j'avais commencé à écrire des textes. Et c'est parti quoi. Ouais quand on écoute beaucoup d'artistes, on a bien l'impression qu'on est artiste. en fait, ça commence tout jeune. <laughs> voilà. <laughs> voilà. Alors, Hamdi, on aimerait bien savoir qu'est-ce que vous chantez dans vos chansons Habituellement, quels sont les messages que vous véhiculez euh, Alors, mes chansons, en tout cas, la majorité de mes chansons, je tourne plus autour de, des thématiques de sensibilisation. Et il y a des thématiques comme la paix et la violence faite à la jeune fille, l'amour. Euh, voilà, tout ce qui s'ensuit. En tout cas, je mets plus l'accent sur euh, des valeurs culturelles. Je promouvois euh, pas mal de thématiques assez. qui, qui, partent, qui ont un sens en fait. Mm. Je suis plus de, dans, dans, cette, dans ce genre musical assez conscient. Voilà, parce que je me dis qu'on qu'on a une communauté qui, qui a certaines valeurs qu'il faut conserver, qu'il faut mettre en avant. Et moi, je suis resté focus par rapport à tous ces trucs-là. C'est vrai, je suis un ambianceur. Et, mais je suis quand même resté dans, dans cette philosophie. Ouais. Et maintenant, vous pouvez nous dire mhm. comment euh, euh, le public accueille ce que vous chantez Alors, Comment ils réagissent à, votre musique Alors, nous sommes, nous sommes au Niger. Voilà, un pays où même quand la personne, il aime ce que tu fais, il a du mal à l'exprimer. Ah ouais. Voilà. Mais euh, à part cela, moi je suis satisfait. Mm. Bon, je peux pas dire totalement satisfait parce que euh, connaissant mes capacités ou quand je sors, comment les gens reçoivent, mm-hmm. c'est pas pareil. Mais sincèrement, je suis reconnaissant parce que si les gens n'avaient pas contribué ou si les gens n'avaient pas et m'avait pas encouragé ou m'avait pas soutenu, je n'allais pas être où je suis aujourd'hui. Mhm. Mhm. Aujourd'hui, je voyage à travers la musique. C'est bien, on est bien d'accord, c'est parce que les gens de mon pays ont aussi soutenu. Oui, ils ont soutenu voilà. ce que vous faites. Voilà. Super Hamdi. on va euh, y revenir. Avant de poursuivre nos échanges, marquons une petite pause musicale pour écouter euh, ce titre Peace and Love. Un de vos titres, voilà.

Loin des continents, Kali Ayo, Jagoranti. Nous voulons vivre sur terre sans haine, sans pleurs. Dans un monde meilleur où n'y a pas de guerre, où sa vie unie, dans l'harmonie. Puis une belle vie comme au paradis. La il m'a gâté, Afrique la baille, ma Guinée. Yo si bas la caltune, ouais Il yo maduga Guinée. Na kalkanaide imagate Afrika bai imagwa gine Yosiba la kaltune wakyo machangi yomaruga kwa gine Lobe na moni Yakamata muyi Musojuna Musojuna Na moni Mata muyi Musojuna nous, on se tue, entre nous, on se trahit. Entre nous, on se vend, entre nous, on se haït. Entre nous, on se tue, nous, on se trahit. Entre nous, on se vend, entre nous, on se haït. Caché, caché. Anima mata yade. Arziki yankwate. Rayuka sumpate. Rayuka sumpate. Caché, caché. Anima mata yade. Arziki an kwace sun ɓace rayuka sun ɓace hawaye suna zuba wayansu sun rasa uba mutum sai ka ce daba rayuwa yau na cikin jaraba lobe namuni kamata mu yi kamata mu peace love and harmony Kwanci yankali ya kamata mu yi jama'a mu so juna ya kamata mu so juna Hey na muni ya kamata mu yi peace and love, peace and love, peace and love, peace and love, peace and love, peace and love. peace And harmony. Oh oh, oh, oh, oh. I see y'all vibes. send love. On applaudit. Ah oui, ah tu me ah permets quand même de <laughs> féliciter l'artiste pour la qualité du texte, pour la qualité du beat, pour la qualité de tout. Mais c'est waouh. C'est un artiste au complet. Merci. La musicalité, tout y est. On se bat. Super. En tout cas, euh, c'est un titre plein, plein de sens. Plein de sens avec des messages euh, très mm. positifs. Merci. Merci. Vraiment. Alors, Hamdi revenons avec euh, nos petites questions. <laughs> Alors, euh, quelles sont vos attentes Vous croyez en la musique euh, jusqu'à en faire un métier de tous les jours ou bien il y a un plan B de, carrière Alors, je trouve que ça fait plusieurs questions. <laughs> Donc, à laquelle des questions je dois répondre Alors, quelles sont vos attentes Merci. Alors, je commence par ça et ensuite je continue. <laughs> alors, perso, je n'attends pas grand chose. Moi, je m'épanouis en fait à travers ce que je fais déjà. Hmm. Et je me cherche. Ça veut dire que je ne suis pas que sur la musique. Hmm. Je suis un entrepreneur culturel. Je suis également. Voilà, j'ai un label associatif qui hmm. collabore avec d'autres personnes. Je fais pas mal d'activités. Donc. Euh, ça veut dire que je ne fais pas partie de ces artistes qui attendent des prestations pour manger. Voilà, j'ai mes activités, eh, ni niveau adare ni ina sai ina da ah, ina ina donc <laughs> oh, vraiment <laughs> vraiment je peux pas en fait je peux pas tu vois me sentir mal à l'aise dans ce que je fais parce que mhm. moi je le fais d'abord c'est pour hein. m'épanouir pour être à l'aise pour voilà donc après bien évidemment il y a, y, y a des besoins mhm. donc euh, je souhaite juste que ma musique puisse porter et que je puisse euh, euh, obtenir plus plus de gens en fait qui, plus d'auditeurs tu vois et, voilà et peut-être un jour tomber sur euh, la bonne personne qui, voudra collaborer avec moi pour que nous faisions des des collaborations. De grands peut hits. Voilà, peut-être un producteur qui va mhm. vouloir mettre son argent pour qu'on fasse des grandes choses. Ah ouais. Mais je crois qu'il a répondu à toutes les questions. Oui, hein. je sens <laughs> beaucoup d'humilité quand même par rapport à ce que vous produisez. Je sais pas, c'est bon, après, normalement il y a la matière en fait pour tout casser. sais qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui vous retient comme ça Qu'est-ce qui vous retient Après, après il y a... après tout ça c'est une question d'éducation. Voilà, on mm. personnellement on n'a pas besoin de me dire que je sais faire la musique. Mm. Voilà, parce que j'ai atteint un niveau où c'est pas c'est pas ce que j'ai envie d'entendre. Mm. Mais j'ai plus besoin d'accompagnement. Quand je dis accompagnement, pas forcément que la personne me donne de l'argent, mm. mais plus la connexion et plus cet esprit positif quoi autour de ce qu'on fait. Aujourd'hui, par exemple, mon frère m'invite sur, sur ce plateau pour que je vienne m'exprimer. Je suis rentré il n'y a même pas deux semaines. Mhm. ça, fait ça, fait plaisir parce qu'il y a plein d'autres personnes avec lesquelles je pense avoir des bonnes relations qui pensent jamais comme ça. Ça veut dire que quand les gens pensent à toi, c'est juste pour t'utiliser pour des trucs. Mhm. Par exemple, viens, j'ai une prestation, j'ai pas d'argent. C'est ouais, pas bien en fait. Il faut qu'on pense au-delà de ça. Il faut qu'on pense à à soutenir l'artiste autrement. comme sur cette émission, voilà, ce qu'on fait. Donc il y a <laughs> pas mal de, hein. en fait, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Et moi, quand il m'a appelé, il y a également quelque chose que je veux te dire qui m'a marqué. Hmm. Quand il m'a dit, il faudrait que tu sois là avant 11h. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Je suis, en fait, je ne suis pas dans les faux rendez-vous. Hmm. J'allais être là avant 11h. Hmm. Mais il m'a dit, dis-moi où est-ce que le chauffeur va venir te chercher. Ça, c'est quelque chose. Parce que tu vois jamais ça ici. Il faut être ailleurs pour voir tout ça, en fait, ces petits privilèges. C'est quand tu sens que tu te rends compte que vraiment tu as de la valeur. Mm. Donc, ben nous, ben on doit parvenir à ça. Mm. On doit montrer à l'artiste qu'il a de la valeur. Aujourd'hui, toutes les grandes activités, c'est nous qui les animons. Mm. Mais on te fait croire que sans toi, on va faire cette activité. Oh, que c'est faux. Toutes ces activités se font parce qu'il y a des artistes qui tiennent les gens. Exact. Mais on veut faire croire encore aux gens qui, n'ont pas de la valeur, qui sont rien. Et je pense qu'il est grand temps pour cesser tout cela. On est des collaborateurs. Il faudrait qu'on sente cela. Ouais, ouais, ouais. On tout doucement dans la question, liée aux, euh, voilà, aux difficultés. On les a déjà touchées. Je, ouais, ouais, <laughs> il, a, déjà. Euh, évoqué quelques-uns. Euh, je pense qu'avant, on va, on va d'abord savoir combien hein, mhm. de votre débit à aujourd'hui, vous avez produit combien de titres ou disons combien d'albums Alors, officiellement. Avant d'attaquer les, les, Alors, officiellement, officiellement, je pense que entre son et vidéo, j'ai plus de 40 morceaux sur, euh, sur les réseaux. Voilà. Ah, oh. ouais, entre, son et vidéo. Maintenant, les chansons que j'ai enregistrées, et d'autres qui sont pas sorties, d'autres qui, voilà, qui sont dans les coulisses, d'autres qui en tout cas, je pense que je suis à. J'avoisine les 100. Ouais. Voilà. C'est énorme. Et je pense qu'officiellement, je me suis lancé en 2015, donc 2015-2023. Hmm. Ouais. ouais. Alors, là, on voudrait bien savoir les projets artistiques, bien sûr. D'accord. Une exclue pour nous. Ouais. ok, <laughs> parfait. Donc, euh, là, déjà, comme je vous avais dit, je, suis également dans l'entrepreneuriat culturel, mhm. je suis euh, euh, dans l'humanitaire. Et j'ai eu à travailler avec euh, Plan International en 2020. Mhm. J'ai remporté un prix, un concours panafricain qui était ma voix pour l'égalité aux filles. Mhm. Et ce concours m'a permis, bien évidemment, de travailler avec eux en étroite collaboration sur bah, quelques projets, dont il y a une chanson qui était sortie. Le titre de cette chanson, c'était Elle. Donc, aujourd'hui, disons récemment, en octobre passé, et genre le mois passé, j'ai eu un autre prix qui est, qui est Nous sommes le miroir. C'est un projet que je suis en train de vouloir euh, faire pour euh, en quelque sorte soutenir les personnes handicapées. Hmm. Mhm. Et cette chanson, à travers cette chanson, on, va faire la vidéo où on va faire euh, jouer des personnes en situation de handicap et pour montrer qu'ils ont également euh, de, de l'importance dans la mm. communauté et qu'ils peuvent faire énormément de choses. Ils peuvent s'épanouir, ils peuvent vivre pleinement comme tout le monde. Donc euh, ce projet, nous, nous allons le concrétiser bientôt. Actuellement, c'est sur ça que je suis et c'est l'ACF, mm-hmm. African Culture Fund, qui, qui m'accompagne dedans. Ok. Alors, Hamdi, on te connaît également, comme vous, l'avez si bien dit, dans le domaine humanitaire, parce que vous avez l'habitude d'organiser des, concerts euh, pour, euh, pour collecter, n'est-ce pas, des articles afin de, remettre cela à des orphelins. Alors, Hamdi, euh, pour ceux qui aspirent à devenir chanteurs, mm. avez-vous des conseils ou des mots d'encouragement à partager avec eux Alors, je pense que ça serait pas forcément des conseils, mm. mais des, si tu veux, des encouragements. Moi, je pense que la musique, la musique, on peut pas empêcher à quelqu'un de faire ce qu'il veut faire déjà. Mm. Tout celui qui te dit j'ai envie de faire, il faut juste l'encourager. Mm. Mais il faut être focus. Ça veut dire qu'il faut avoir déjà, il faut déjà savoir où on va. Parce que une personne qui n'a pas de plan, qui n'a pas de projet, ne peut pas réussir son combat. Hmm. Donc, quand tu veux aller quelque part et que tu sais où tu veux aller, c'est plus facile pour toi hmm. d'arriver où tu veux partir. Donc moi, je pense qu'il faut plus avancer dans ce sens. Merci infiniment, Hamdi, hein, d'avoir non seulement répondu présent à notre invitation, mais également d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous vous souhaitons bon vent dans votre carrière musicale. On fait une petite pause et on revient hein. juste après, n'est-ce pas On se reverra, j'ai l'impression. <laughs> Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est le moment pour nous d'attaquer notre rubrique hebdo et nous sommes lundi, nous allons parler justice. Exactement, et nous parlons de la nationalité qui est l'appartenance juridique et politique d'une personne à la population constitutive d'un État. Comment s'acquiert la nationalité nigérienne Pour en savoir plus, écoutons le juriste Abdurazak Mahazou, doctorant à l'université de Ouagadougou, interrogé par Tarnan Foudé Ahmed. Comment se fait l'attribution de la nationalité nigérienne L'attribution de la nationalité nigérienne est possible soit à raison de la naissance au Niger, soit à raison de la filiation. Dans le premier cas, au terme de l'ordonnance portant code de la nationalité au Niger, un Nigérien, tout individu qui est né au Niger d'un ascendant direct au premier degré qui y est lui-même nés. Et toutefois, ici, il faut préciser que les enfants qui sont nés au Niger, des agents diplomatiques ou consulaires des nationalités étrangères, ne sont pas concernés. En ce qui concerne l'attribution de la nationalité nigérienne à raison de l'affiliation, cela concerne l'enfant légitime qui est né d'un père nigérien ou d'une mère nigérienne. Cela concerne également l'enfant naturel lorsque le père ou la mère à l'égard duquel la filiation a été établie est nigérien. Est-ce qu'il existe d'autres modes d'acquisition de la nationalité nigérienne Il existe euh, d'autres cas d'acquisition de la nationalité nigérienne. En effet, la nationalité nigérienne peut s'acquérir soit par le mariage dans certaines conditions, soit par décret dans certaines conditions également. Et pour le mariage, il faut préciser que l'intéressé doit justifier d'un mariage légalement formé depuis trois années au moins au moment de l'introduction de la demande. Il doit justifier d'une communauté de vie effective et ininterrompue depuis le mariage et que le conjoint n'a pas perdu sa nationalité. Par ailleurs, il doit avoir une résidence habituelle et régulière au Niger depuis trois années au moins. L'intéressé doit aussi avoir une bonne moralité et une bonne conduite. Il doit justifier des moyens d'existence suffisants et il doit être pleinement intégré dans le milieu social nigérien. L'autre mode d'acquisition de la nationalité nigérienne concerne l'enfant qui a fait l'objet d'une légitimation adoptive. Si la mère ou le père adoptif est nigérien. Et il s'agit également d'une acquisition de la nationalité nigérienne par naturalisation. Cela se fait au moyen d'un décret du chef de l'État sur demande de l'intéressé après enquête. Et dans ce cas, l'intéressé doit avoir au moins 10 ans de résidence habituelle au Niger. Il doit également avoir une bonne moralité. Peut-on perdre la nationalité nigérienne On peut perdre la nationalité nigérienne, bien sûr. Cela concerne le Nigérien ou la Nigérienne exerçant un emploi dans une haute fonction publique d'un État étranger ou dans une armée étrangère ou recueillant des renseignements au profit d'une puissance étrangère le conserve en dépit de l'injonction du renoncer qui lui aura été faite par le gouvernement est-ce que la nationalité nigérienne peut-elle faire l'objet de déchéances La nationalité nigérienne peut également faire l'objet d'une déchéance. On peut être déchu de la nationalité nigérienne. Il faut rappeler que la déchéance concerne les individus ayant acquis la nationalité nigérienne, soit par le mariage, soit par naturalisation. Donc, euh, et pendant un délai de 10 ans, à compter de l'acquisition de la nationalité nigérienne, l'individu qui est soit condamné pour des infractions d'atteinte à la sûreté de l'État, soit à une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement, ou l'individu qui s'est livré au profit eh, d'un État étranger à des actes préjudiciables aux intérêts du Niger peut être déchu de la nationalité nigérienne. La déchéance eh, concerne aussi la femme étrangère qui a acquis la nationalité nigérienne du fait de son mariage avec un Nigérien, elle peut être déchue de la nationalité nigérienne si, après la dissolution de son mariage par décision du juge, elle ne réside plus au Niger depuis un an ou si elle se remarie avec un étranger, même vivant au Niger. Et toutefois, la femme étrangère qui a acquis la nationalité nigérienne du fait de son mariage avec un Nigérien peut conserver sa nationalité nigérienne après la dissolution de son mariage si elle décide de résider au Niger ou si elle se remarie avec euh, un Nigérien, même vivant à l'étranger. Voilà, c'était là la rubrique hebdomadaire justice, euh, Rabi. C'est nous, on en apprend des choses hein, sur Exactement. cette rubrique. Exactement. Pour euh, notre playlist, pour notre troisième balade musicale, Mouradi Zoutia et une belle collaboration entre la chanteuse nigérienne Rakia Moussa Poussi et l'artiste nigérien Hassoumi Hamisu, bala breca. Esa prima que te coné con él. Conoció con él. A ver, bala. zan rike kin sani kauna nake sai ki sa yarda ni da ke muka yi dace kai nake so asali kaga dafin so na gani haka ki tsaya mini tun da kin fama ya ci ciwo ke mini kin rufa tsaya mini kin gaje koke mini sarrafan da na ba kitin da ba ki min wauta kaga komai za Qui kuwa Musa Poussi c'est Musa Pusi c'est Mourad Zichia elle a sans nul doute hérité du talent de son père Feu Moussa Poussi pour le chant et la danse il était une grande figure de la musique nigérienne Né et grandi au Niger, Rakia a intégré une troupe de Dandali Soyeya locale avant de poursuivre son rêve au Nigeria voisin fief de ce styles musical, C'est nous, cette passionnée de musique se fait remarquer à force de persévérance, de chant, de danse et de bons jeux d'actrice. Elle enchaîne les collaborations musicales et des rôles dans des films Kanyoud comme Yaragadas, Basaja, Yaouda Gobe, et autres. Et oui, du haut de ses 33 ans, elle a su s'effrayer un chemin dans cet univers et fait la fierté de ses fans et du Niger en général. Nous pouvons citer quelques uns de ses chansons Hakinso, Mai Hakuri, nash Nashgaso, Maiso, <laughs> Voilà, il y a beaucoup de sauts dans cette affaire. <laughs> na cikin raina wa sai dai ni ba zai wuna ambata ba zan kira ki masoyiya wance zinariya kin zaman na idaniya ta ko ki zaki ka zaman na idan gani c'est nos places à l'écho des régions. Oui, Rabi, et aujourd'hui, l'honneur est à la région de Niamey. Et nous nous intéressons à l'artisanat. Le métier de l'artisanat, notamment dans le secteur informel, est pratiqué par beaucoup de personnes, dont un grand nombre représentent les jeunes. Agname Abdulaziz Malan Issoufou exerce ce métier depuis 30 années. Il confectionne des tapis et des et des poufs, voilà, tout en cuir. Cependant, selon lui, les Nigériens ne s'intéressent pas trop à leur création, mais préfèrent les articles importés. Néanmoins, il arrive quand même à s'en sortir. Moutari Mahamadou s'est intéressé au sujet, on le suit. sana'a ta aikin fata lalle mun dan kwambe muna aikin wannan amma lokacin da na wara yanzu na kai shekara kamar talatin haka kuma gaskiya mun samu alheri tunda muna aiki muna ci muna sha kuma mun yi bukatu diya daidai gwalgwadon iya kuma na yi ilimi ina da yara kaga sai a yi godiya ni gaskiya da na tashi ma na gani a gidan mu ana yi kuma ni ma na ci gaba da yi kuma na ga amfanin shi to yaya ne kuke yin wannan ayyuka eh kala kala ne ga tafi nan da pup ga katposh nan ga kartabil nan ga santir nan ga sak-sak nan kala-kala na mata da na maza kuma ga takalmi nan shi wannan kala tafi muke son kuwa muna bayani kala ɗaya ne kuke yi ko kuwa a ba kala ɗaya ba ne ba kular kamar duk kular ɗin da kake so ana yi kuma hallu banda kular ɗin da kake so duk model ɗin da kake so ana iya mata fi tun daga 1 meter 2 meter 3 meter 4 duka ana yi sadifon da kudinka ana yin ta hawan hawa hawa a daidai kudinka ake yi kuma ta kasuwa kai in ba da bace ba ma kai zaka ma kanka ka ajiye ka sai da ai ga wannan tarro ta kai ba kuma da bace ba ko in kana so yanzu wannan ana iya rage ma ita in karama kake so ana iya rage ta ai daidai kudin ka kuma in kana so ana iya kara ma ita ta zama katuwa da za ta cika ma kamar wata ka da kai program haka a nawa kuke sayarwa yanzu kamar da a yi zance kamar yanzu yadda ake cikin lokacin wannan na yanzu muna iya sai da su karan haka da bufta biyu karan timila haka eh, aiki ne za a yi da lokaci fata muna yi da ta rago muna yi da ta akuya kowace muna aiki da ita ta akuya ta gamsar da aikin wannan. Muna ganin wasu abu da suke faruwa a Nijar sai ka ga 'yan Nijar suna da fasaha su yi waɗansu abubuwa waɗanda ko ka tafi kasashen waje ka gansu suna bayyana. Amma a nan gida Nijar 'yan Nijar ba su sai dai baki su saya. Me yake kawo haka? Haka ne mu babban matsala mu ke na dama. Yanzu ka ga aikin wannan muna yi amma Nijeriya bisu sayan shi sarai. Tunda ƙarhin aikin mu gaskiya waje muke kai su su burkina su mali su senegal kasashe da yawa mafi yawa duk na muke huda kayayyakin nan in lalle suna siya amma ba su yawa ita ce tina ita ce shana duk komi da nake a cikin ta ne nake wani kira kake da shi ga 'yan niger musamman waɗanda ba su fahimci su sayi abubuwan da ake yi a nan gida niger ba muna so nigerian su gane kama kaya na cikin gida ana siyan shi kamar wanda bai shiga ba ma ya fi so ya zo ya shiga ya kama a yi da shi tunda suna ga kuna abu babu mai zawa ya shiga kenan ya ce abu ne bai yayi ma amma in ka ga kana abu ana zawa ana ta shiga kenan ya ka ce a wani abin tunda ana samu kenan mu ma bari mu je mu eh, in kamar nigeria suna siye kamar na cikin gida na ana siyan kamu ana amfani da kamu kenan dole a samu kuɗi mu tunda yawan su shi yake kawo samu kuɗi amma kayi abu ka aje kana tsuman mai su ai kaga sai a hankali eh voilà Rabi Merci attaquons Moutari. la voilà <laughs> on dira merci à Moutari alors attaquons la page sport mais avant une petite pause c'est nous le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. présent, on attaque la page sport et ça sera avec Gourouza Hassoumi. Bonjour Gourouza. Euh, bonjour Rabi, bonjour Senou. Bonjour Gourouza. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une joueuse de football, n'est-ce pas Oui, elle s'appelle Sarah Ibrahim. Elle a 16 ans, elle joue euh, dans l'équipe de l'AS Corombe de Niamey. Notre reporter euh, Salamot Kadri l'a rencontrée sur le terrain d'entraînement. Voici son portrait. Sarah Ibrahim est une jeune Nigérienne âgée de 16 ans et passionnée de football. Teint clair, silhouette élancée, son visage rayonne d'énergie et de confiance. L'amour pour le football depuis sa tendre enfance l'ont amenée à l'adapter. Elle joue dans un club de la capitale dénommé AS Korambe. Nous l'avons trouvée un vendredi soir sur le terrain d'entraînement avec ses coéquipières. J'ai choisi le football parce que je pense que le football féminin, ça motive. Parce que d'autres gens pensent que le football féminin, ça gâte les filles, mais ça gâte seulement si tu le veux. Et on s'entraîne deux fois par semaine, les mercredis soir et les samedis soir. Moi, je descends à l'école à 14h30, je pars à la maison à 15h et je reviens au terrain à 16h. Après les entraînements, je retourne à la maison, je prends mes cahiers, je révise un peu, puis je me repose et demain je pars à l'école. L'entraîneur de l'équipe de Sahara, Dantani, nous parle des qualités de la joueuse. Oui, euh, Sarah, elle a des qualités de comportement, parce que c'est ce qu'il faut pour un sportif. Quand vous n'avez pas un bon comportement, c'est un problème. Sarah, c'est une fille sur le terrain, elle se bat, elle se défend. Donc, elle fait un effort. Souvent, s'il y a une difficulté, elle dit à coach, pourquoi de ne pas me placer à tel endroit Je serais capable de m'en occuper de ça. Et quand je le place, je vois, elle arrive à réussir souvent. Parce que vous savez, la qualité pour le moment reste à désirer. Mais les enfants font un effort. Parce que même le fait d'amener une fille à jouer, c'est pas un rien, Donc vraiment, Sarah, elle a beaucoup de qualités et au fur et à mesure, nous sommes en train de travailler pour améliorer cette qualité technique. En dépit de son amour pour le football, Sarah, avant de s'effrayer un chemin, a eu à surmonter beaucoup d'obstacles, à commencer par la famille. Oui, dans les vacances, j'ai été sélectionnée pour euh, le football scolaire au Maroc. On est parti au Maroc, on a joué pour le Niger. On n'a pas amené la victoire, mais grâce à Dieu, on a fait de notre mieux. Oui, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que quand je suis revenue du Maroc, ma maman a dit que je ne veux plus jouer au football. J'ai dit pourquoi les filles qui jouent le football ne peuvent pas se marier. J'ai dit non. J'ai vu beaucoup de filles qui ont joué de football et quand même elles sont mariées. Elle a dit qu'elle n'a jamais vu ça. Mon papa a parlé, ils se sont un peu discutés et pour finir, maman elle a accepté. J'aimerais être une grande joueuse briller le nom du Niger. Les coéquipères de Sarah estiment que leur capitaine a un sens de rassemblement. Elle a des qualités de meneuse de groupe. C'est quelqu'un qui nous respecte et que vraiment elle n'est pas compliquée comme les autres. Avec elle, je pense que le message peut passer en tant que la capitaine. Bon, tout d'abord, elle nous dit tout le temps, il faut le respect mutuel. Tout le temps, elle nous dit que ça va aller parce que c'est pas tout le temps qu'on peut gagner. Si on a perdu aujourd'hui, demain, on peut remporter. La j'apprécie son jeu. Elle est excellente, notre capitaine. Elle court beaucoup. Elle nous conseille souvent de persévérer dans ce qu'on fait. Nous verrons les avantages plus tard. L'avenir de la jeune Sarah, joueuse de football, n'est point en pontillé. Elle a l'amour et la volonté de poursuivre, mais aussi le soutien de son groupe et surtout de sa famille. Autre aspect de cette page sport, hein, mais toujours en football, le Sahel Sporting Club a un nouveau bureau, n'est-ce pas Oui, Rabi, l'équipe du nouveau marché a euh, renouvelé hier le bureau qui va conduire la destinée des Verts pour la saison qui va démarrer le 18 novembre euh, prochain. C'est Boubacar Saleh qui a été choisi pour le poste de président du club et son vice-président est Afizou Abdou. Voilà pour le sport. Merci Gourouza, c'était la page sport. C'est nous Oui, ravi. C'est qui notre star du jour Eh bien, elle se nomme Amina Haruna. Elle habite euh, à Tolkoboy, Kwaratadi, un village de la commune de Walam, région de Tilaberi, pour, voilà, pour contribuer à la prise en charge de sa famille. Elle fait du maraîchage toute l'année. Selon elle, c'est une activité rentable parce qu'elle

ta yi zoce ci labogati jardin o kan gogo oho a wannan go jardin agoga luye aran seno agoga luye isano ne wo san kare ford rebino kare ford rebino margano iga zambar hinza haran baraga ban zambar hinza no yes ya kina ga ban zambar hinza to da aran na hiyen wote zambar hinza aran mu aran ga fattara wala aran su fattara wallahi lokaci fo te borga bana nik fattaya zama di hanni yana ni hinigin ni wasu ndu albisi lizo dumo ni garuwa ne ban kayan gede harifun bada angara nugu no firko se ni yanna dubo dun sin kaf sin kaf ni signal ba salo gui ni woni yanme to bor ya mo sudu ba han kam bana firko yo yose to bor har ya ko yanme to ifo geti ti problem kan gada isidu ga bana e far kose problème mo de gitu bor du tamatizo ni sin difisi ni sin da ngare angara de sanda zan fiso yar bo gon ni nyezu kan do kunware ni gudu ni ka sin dalmani nyongo ifo di ifo no arangete de muro tanna wo wa aranga dai muga hina ifo no arangete da kwani tamato no ro wo didu wa ngari ni gade he ni zo ki ko far dudu ni nuno yigi yakalandi ga imi no imta koko ga kaga hangandi di mo du imam de kolgiti im de sin kafa we ni yaki ko ngi ngini gi wala basalo go teda ai wo gitina fakan ni do goyo wora ai wo goyo na de ke dugte jiru kuru ai ze si ko tigri bor fo bon ay wena fa ma me de no hamba de yen yo de gite mu du chimsi feji ngi hinni hinni ne gi hinni gudu de man yan moy sudu wa kalang mo borom ko ni nyeze do ngwar ay wena fa ma me no ay mu ay mu nes nes gudu sin kafa ay mu du kolgiti ay me ze ngwayendi ay mu bankare wena de no borso banam jam borbo ko ni chala ya jabi si zarsi borso banam janga zamani bora la bora sindi gabi bor sudu to son da albasan go bon tomato go bon ifo ko yino arangati bor yan da albasar saladi ni gida sanga fondu bombare amma yi wo dal bisalo ban yim de bi kag ye kliwen ne dog ye ga yebu za me hawni kag feri de me hawo ban me feri mi kag yebu fulan zam yim kag tilam yim goyo dida he i goyo ba ki gite i ha ba subu subo man ko gno jina al man ko ne digo digi de borg nera borg de foji ne de safun de bor ize sin de churgu se kal ko kiya bor ko ne sin kaf me hin ko bor kag te churgu se atena fme aigondi ziddu igo ko lokal ibero wo go ko chu sargar ngo che bare ba mandu ama kumasa to dadu teni am du tirei da koi borgano da bigtu da mandu ci karbo na sa waran kesme da ko am tere krasi susu be kur waran kamo ni be tamato ya sid biz falla hala ko gize ginin giga hay agin ni te bora ko kap ko on kap ko on wor bom che chen char kando ngu duzongo fo gisi ta sa jirbu gu garo du bon ner nan ban chalase du bor sidam alfakari zagi hin ko kap ko na ka ahma stehefo Merci à Adam de nous faire découvrir le combat de ces dames. Poursuivons notre playlist avec un autre héritage musical, une fierté nationale qui est actuellement en train de défendre les couleurs du pays au concours de chant continental des Voice Afrique. L'artiste Kitari avec son titre Jamais touché la gola, la gola, la gola, la gola. Dans la rue, j'étais sorti marcher, embrouillé par les problèmes de la vie. Je marchais sans même savoir où j'allais. Et d'un coup, voilà une fille devant moi. La gola, elle m'a coupé sur le chemin. Baby, est-ce que tu sais que t'es mignon? Pardon, viens me passer ton numéro. Parce que je t'aime quelques jours après. Je l'ai ce n'est pas mon bébé. Maman, ce n'est pas mon bébé. Quelle voix, quelle voix, Kitari. Magnifique. Ah <laughs> eh bien, Mohamed Kitari Haruna Koulibaly, connu sous le nom de Kitari, est le fils de la diva Fatima Rico et semble bien déterminé à prendre la relève. Ouais, la relève est assurée, clairement assurée. Ouais, c'était le ah. super clip et titre dansant de Kitari. Ah C'est Oui. C'est l'heure de la chronique Lotti. Exactement, la chronique Lotti traite aujourd'hui des parents et tuteurs qui font travailler les enfants au détriment de leurs études. Mais il y en a qui exagèrent. Que disent les textes au Niger sur le droit à l'éducation de l'enfant Écoutons la Rouafi et Rekia Arimi. <laughs> maryama koy begi ni wadi go sala ni seni sima ni go diga ni go sala ni hinne mu zai fallo kamo wal mo ni la kwali zai no go timbon wodan caga borodon da ba wadi no sonda ai go ga kano ai ban da la kwali zufo kan go turi jere ai na ha ai na sai ifo sai na man kwai la kol. akan da he ni ganai sai wai na nyen wono na to. gani am kwai turi ceci hadde a tagaye ga ka

son kunne famu zanka kan gani go nadiya gano ni go ir koy begi ko chadin no gonda lakkal aga chawmo bo he manta izno son kunne fango a wani kunyo kaino izono kauya na san bukkan da zama ko ciya wani kauya gano college sino matkan har kai goga teda igihin ga ba a gare lokkol hayo aiwai man ma kani ba kai na wallahi amma kai gina ifo no alhaji mai kudi ne hayo bo amma ne haikulu bogadin wasu babai hankan gogote yin gwindo dinga bankan da fata za su bai kai habu kalcini na ga yega kan kwara wai gano ga haya kulte irko beri ku ciyo gaba karande amma ai wo kan tike wandi kwa ai su dangai ga hayo woguna din hin gaidum irin koi ga di hajja maimuna a ah, irin koi goni bande to irin koi mutum bar ga te hayo wora ni izu gunde asa tengi zai sifa asa tengi zai sifa salamu alaikum salamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi ku bai ne. Hajiya Maimuna mata ga hamai mata zankai. Eh furuka furuka me a zankai ki sabuwar lai ko ekol. Eh, Amma yi mun faham. Ifa suna aran kan gidi mai tarese aran go tarewo. <laughs> hasha mun ti wadin noti wani kayan wo mana Ni go ne zankai go lokkol abin dai ID na diya agogo fu goite aman kwai ga kyau. Ni diyan wo ga ate. Hai, gunai se, matakin na aran gidi ka ayi windora. har no kismet kai gi hinga izo no tarbiya asko ekol agba yi gi bombono hay mai ko ise u fatta he u fatta wasi u fatta gane batama hajiya maimuna ni la kalkanan de suru sugu ma igwo man kanan goyum dogi ni se matkan ne tagin ize tarbiyan tande sok fadi ne wani lokkolo har ka gano oho so kan se aran wo aran madan yanno aran bisai wala zankawo zankawo asin da hini kulu ho kan ga bora ga hinne amti hankan yin kiyase abban hajiya tinai no ni bon ni nadiya sambu ma zeni ize gunde hayai wo dumano ganan amzurga windo nan go kai ga furo lakal tunai foyara maze ima kwam wala mo ima zai da hankan ga himan da yaji ne hai subhanallah gem ayya wallo ne mun tingune ban wara gem gem gem gem aman ban ni bai irin nijar labo akwai ga kambadan hankan ga titir foyen kan ga zan kai wani bafu na boriyan kwai ne mu a nasar giri zan bar hinkan da wakin da iddora mu gwamnati kwai ga ga kan badake hankan ga ti ka wanda yayi zai wana hallas yanwo dimi dum kyauyen waira kwai ne tiraiwo ini teno imuduga kyauyen wo na yanwo bonza zanga zanka kai ni higen diyan lokkolai morai da almiyalai kan ga zan kai ga idi kwai kyauyen jangai ah ir gwamnati alhamdulillahi wallai ai faham ai si yadda talo mu funaiga insha allahu akwai ekol zanga dai matsin kele go koida hajiya hey nadia bisakka ai bun bono gundum kala ekol hajiya da kimi mo ni faham din man faham makiyai sai ai ko ga alhaji mai kudi fahaman di walman tiyadin hajiya binta a cimino wallahi ha ha ha ha gayi ai wallai faham ay faham walla mun to ni bil bonta bandi wo fondo goy da bon fera ngaran kandir si ay sabu astai kula haja mai muna a ginga mo ko ciyo ngano ga kwaddani makabo ah masha Allah irkoi dai mace alhamdulillah Merci les filles pour vos conseils. Passons à présent à la rubrique culture linguistique en français et anglais. Ça sera avec Jackie Dalton. Bonjour Jackie, quel est le mot du jour Hello, how are you How are you Comment vas-tu ou comment allez-vous? Today we'll talk about the answers to that question. Aujourd'hui, nous allons parler des réponses à cette question. Donc très souvent, quand on rencontre quelqu'un, pour le saluer, on dit Hello, how are you? Bonjour, comment vas-tu? Ou comment allez-vous? Et la plupart du temps, quand on répond à cette question, on dit I'm fine. I'm fine, ça veut dire je vais bien. Ou I'm well. I'm well. C'est une autre façon de dire I'm fine. I'm fine. I'm well. Je vais bien. Ou on peut aussi dire I'm okay. I'm okay. Ça veut dire ça va. I'm okay. Donc la plupart du temps, quand on se salue et on demande comment allez-vous, la réponse sera I'm fine, I'm well, I'm okay c'est les réponses un peu standards qu'on utilise, même si ça va pas bien parfois. Mais peut-être à d'autres moments, vous n'allez pas bien et vous avez envie de communiquer ça. Qu'est-ce que vous pourriez répondre Vous pourriez dire I'm not well. Tout à l'heure, on avait vu I'm well, je vais bien. I'm not well, je ne vais pas bien. Si vous êtes fatigué, vous pouvez dire I'm tired. I'm tired. Ou si vous êtes occupé tout le temps, vous pouvez dire I'm busy. I'm busy. Donc là, on a vu trois réponses un peu négatives. I'm not well. Je ne vais pas bien. I'm tired. Je suis fatigué. I'm busy. Je suis occupé. Maintenant, on va tout reprendre avec un quiz. Première question. Comment dire Comment allez-vous How are you How are you Ensuite, il y a deux façons de dire je vais bien qui sont I'm fine, I'm well. Et comment dire ça va I'm okay, I'm okay. Et si ça va pas bien, on va dire quoi I'm not well, I'm not well. Et comment dire je suis fatigué I'm tired, I'm tired. Et que veut dire I'm busy ça veut dire je suis occupé. I'm busy. Voilà, I'm fine, I'm well, I'm okay, I'm not well, I'm tired, I'm busy. Those were today's English words. How are you? Merci Jackie. Rabi, écoutons les messages vocaux de nos auditeurs. sunana baba ilefe mataimakin shugaba na coordination club da fada da ke nan birnin da magaram kuma ni mai sauraron shirye-shiryen studio kalangu ne a gaskiya shirye-shiryen studio kalangu suna matuƙar ƙayatar da ni musamman ma irin shirye-shiryen da suke gudanarwa na farko zan iya cewa akwai shirin da suke yi don faɗakar da matasa musamman ma a wannan lokacin za ga matashi maimakon ya tashi ya nemi sana'a ya dogara da kanshi sai ka ga ya karkata wajen shaye-shaye da wani waɗace-waɗace to studio kalangu lalle tana kawo gudunmuwa wajen ganin ta wayar ma matasa kai bisa irin wannan abubuwa. na biyu akwai shirin da take yi musamman ma eh, ga iyaye iyayen yara musamman ma wannan lokacin da muke ganin alamun sanyi zai shigo to studio kalangu tana wayar da kawunan iyaye yadda za su yi su kare lahiyar yara ƙanana abu na gaba kuma studio kalangu akwai wani shiri da take yi na wayar da kan musamman ma yara ƙanana mata za ga yarinya maimakon ta tashi ta yi karatu amma sai ga ta bige tana shaye-shaye ƙarshe ma za ga ta shiga harka da ba ita ba Su sicidiyo langu lalle tana kawo mota wajen wayar da kawunan mata musamman ma rashin zuwa makarantu da rishin tarbiyya da suke samu iyaye za ga sun bar 'ya'ya mata musamman ma ƙanana 'yan shekaru sha biyu sha uku sha Ici prend fin notre émission Le Niger sous Kalangu. Vous étiez en compagnie de Ali Moukela Ouseni, Disseno et moi-même Rabi Meikano. Rendez-vous demain à 11h pour un nouveau numéro. La technique était assurée par Mustafa Ayouba. Adam Adawaki et Rahila Toussoumana étaient à l'édition. Et oui, chers auditeurs, n'oubliez pas nos éditions de 17h à suivre à travers nos radios partenaires et en streaming sur notre site www.studiokalangu.org.